ñëw dama ñëw exprimer sama solidarité euh, ñu am yaakaar que dinañu dégg dinañu dégg décision boo xam ne bi mooy jubalewaat Sénégalais yi ak seen justice parce que tey Sénégalais boo laaj danaan la dis justice su par par loolu la ñu am notamment si wàllu ba nu demee cour suprême euh, cour suprême àttewul da koo wàccewaat fii. li ma dugal am ci ay juge ak i magistrats ñu koy wax. yëpp nga xam ne dañu am ci waay bañ aussi wàcc compétitif la doo xool diw rek ne kii daf may sonal dama koy génn dama koy faagaat non moo tax ñu war a taxaw parce que dafa am solo ñu taxawal ci démocratie exprimer ko sunu solidarité ñoo bokk nekk F24 bokk nekk FIT kon loolu it dafa am solo ba ma ñëwee it. dama ci profité pour dem seeti le juge Akham Diallo di ko laaj permis de visite parce que moom fa njëkkee dem dañ ma ne tampon bi leer ma ne bii nag may damay ñëwal sama bopp mu tëju ci bureau tëju ci bureau sañu la génn sax ne ma madame le garde des sceaux l'ancienne garde des lii moo tax ma la jox sa permis loolu nag dafa rafetul dama rafetlu parce que moom maa doon quand même kilifaam amat kilifaam ci wàllu justice quand même ma ñëwee dox sa sol sama daal ñëw ba sa bureau voilà xanaa voilà ñun teraanga la ñu xam Sénégal ma toog même bu dee deux minutes nga ne ma madame day lii ak lii ak lii tax mënuma laa jox benn mais mënu koo wekk ci droit moo tax mu préféré tëju ci bureau loolu mooy li may wax démocratie bi dafa dellu ginnaaw ñu war a taxawal démocratie bi taxawal suñu askan ba ma fa toogee xale yu bëri fekk nañu fa di jël ñu di jox ay permis voilà di nañ libéré de deux mille cent xam ne ñu ngi ci kaso bi sama responsable d'une Dembélé départemental bu Tambacounda mu ngi ci kaso bi depuis six amul dara lu benn acte judiciaire bu ñu jël kon yooyu mooy euh, yi nga xam ne. yi na xam ne euh, war nañ cee taxaw bu baax a baax. di am yaakaar ne décision bi ñu jël décision favorable lay doon boo xam ne mais dañuy gën continuer di taxaw àddina nag man man de noonu laa gisee su ma neewee ci li ma dama ciy taxaw di ci xeex voilà fa ma ca war a yegg voilà dinañu continuer di xeex pour que ñëpp bokk ci élection voilà di ci woo nag aussi démocrate yi mag ñeeg xale yeeg ndaw ñi parce que lii ñuy xeex xeexaluñ ko suñu bopp rek ah. voilà Sénégal li ñu ko bàkkee mooy qualité démocratique voilà. waaw bon ñu ko ñu ko déggaloog yéen ñu man li ma li ma waxee dama ne am commission parlementaire di li ma wax justice bi ne boo laajoon tey sénégalais yi dix sénégalais yi neuf yi duñ la ne justice. Sénégal euh, dafa yem ak ñëpp dama né dañu dem ba ci député yi am commission parlementaire euh gouvernement bi ñëw pas seulement sax ci lii mais permis yi nga xamné joxé nañ ko ñu xam yan façon permis la ak kan lañ ko jox ak ñi ñu ko jox ñan lañu voilà loolu lañ ci bëgg parce que alal gi nak ñoko bëgg voilà moment on va exprimer son c'est un avocat euh, on va se on va se battre jusqu'au bout pour qu'elle soit inclusive on ne se bat pas pour nous seulement moi je suis une candidate j'ai tout à fait confiance en moi-même je n'ai pas de, de problème de parrainage mais je considère en tant que démocrate, tout le monde doit participer à l'élection. Qu'il est inconcevable qu'en 2023, voilà, on décide d'éliminer un adversaire euh, parce qu'il est dangereux, parce qu'il est à risque. C'est inconcevable. Et ça, ce n'est pas dans l'ADN de la démocratie sénégalaise. Il faut qu'on revienne à la normale. Et je saisis aussi l'occasion pour dénoncer la Commission électorale nationale autonome Lorsque son président a demandé qu'on remette les fiches de parrainage à Ousmane Sonko, il a été tout de suite viré. Mani Militari. Et dans la même lancée, euh, voilà, l'ensemble de la commission a été viré. Et on a mis également parmi les membres, euh, voilà, euh, quelqu'un que moi au moins je connais, qui était, est, politique. Et, voilà ce qu'on dénonce. Le président Ablawad, je sais que je n'ai pas les meilleures relations avec le PDS, tout le monde le sait, mais le président Ablawad, en son temps, n'a pas arrêté des opposants à deux mois de l'élection, n'a pas arrêté des journalistes, n'a pas dissous la Sénat. Comment vous voulez qu'on appelle ça C'est un recul démocratique, rien d'autre. Mais il faut se battre. il faut se battre. vous un politique pour Il doit être candidat selon la loi pour moi, ce qui me concerne. Il n'y a pas une histoire de dire. Il doit être candidat, comme tout le monde. D'ailleurs, le président Macky Sall, il avait appelé un dialogue où il a pardonné. Hein il a amnistié deux, candidats. Et pourquoi il ne euh, pardonnerait pas Ousmane Sonko non plus aussi Pourquoi il ne le ferait pas Si le souci, c'est l'apaisement, c'est la stabilité du pays, mais qu'il ouvre son pardon à tout le monde. Aujourd'hui, je considère qu'il y a tout simplement de l'acharnement judiciaire contre lui. Et puis, il n'est pas seul. Je parlais des 2500 jeunes qui exerçaient leur droit démocratique en manifestant. Je ne parle pas des casseurs. Non, je connais un. Mon responsable dans la région de là, c'est un, un, citoyen tout à fait honnête, sérieux, père de famille, emprisonné depuis six mois. C'est du jamais vu depuis très longtemps dans ce pays. Merci. Vous avez dénoncé le fait que le doyen de juge a refusé. Pleurer l'inélégance euh, républicaine. J'ai été son patron, j'ai été gardé sur sceaux, son patron. Mais la moindre des choses, quand je me déplace, voilà, c'est de, me, <laughs> recevoir. C'est ça la teranga sénégalaise, c'est ça la courtoisie. Qu'est-ce qui motive cette... Euh, ah, parce qu'il ne peut pas, il peut pas argumenter le refus de me donner le permis de, vivre. Il ne peut pas l'argumenter je dis. Il ne peut pas. Alors il a préféré euh, voilà, fuir et s'enfermer dans son bureau. C'est un jeune magistrat, il a la vie devant lui. Je lui ai écrit une lettre pour euh, déplorer cette inélégance républicaine et lui dire que les événements passent et le Sénégal éternel continue. Sénégal de cordialité, de courtoisie républicaine, euh, c'est un jeune euh, magistrat, pas si jeune que ça, mais euh, c'était mon devoir également de lui faire ce rappel-là. Et évidemment, je reviendrai autant de fois que nécessaire. Merci. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.